kan mo ay kan ma ay ja wa wa wax na deug suba la àjjuma di jour yee gaw ya ay waaw waaye yow munoo wetcho kii weccoo waaw la tête claire fay def anniversaire dama wara dem France nijaay ja? da nga fat li yalla wax ci alcorane eh yow tejeul ma salaam ak li yalla wax ak li yalla waxula man yalla moo may ñetti jabar ak benn jox na ma la nga xam ne moom laa leen mun a yoree eh, eh, eh bu leen fàtte ne man maa yor seen caabi àjjana ah. dama ne sa tubaab ba ca France xonq cuur ba mel ni tamaate koo ko yor sa caabi aljana xoolal sama diggante tànk yi du aljana de waaye xoolal xoola ay astafurlah kii astafurlah foo koy taf doo bëgg nga dimbali ma dégg nga sa mbiri ibaadu yi nga xamante ne boo julli guddi ca la yam nga sa jëkkër ji boo ko toppatoo keneen a koy jël di ko kàlli tëjal salaam bi dama ne dëgg kaani la bët boo ko tuuf mu toxal pourquoi tu, cours comme ça, ma fille Qu'est-ce qui se passe Touba. oui, tu n'as jamais vu de Touba comment, comment il est C'est une femme. Une femme Comment elle est Blanche. Une femme blanche ici faire des bisous. Hein, hein. Et qui l'interdit La religion. Eh ouais, il y en a même qui ont fait de la prison à cause de ça. C'était pas marqué dans les guides. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas marquées dans ton guide, là. Hein. J'ai l'impression que ma surprise ne te fait pas très plaisir. Si, mais... Euh, papa, moi de que tu j'ai le Ouais, hé, eh, le défi Hé, eh, tu me dis, fais le défi, Je te vois venir. Tu vas me demander pourquoi cette petite fille-là m'appelle papa. Eh bien, je vais tout expliquer. Moi, je suis un lébou. Et les lébous, leur nom commence toujours par Pape. C'est pourquoi on m'appelle Pape Badou. Waouh <laughs> Toi, tu t'appelles Claire, n'est-ce pas Eh bien, si tu étais lébou, on allait t'appeler papa Claire. wow, wow, wow papa Claire. maman c'est qui. c'est la fille qui c'est ma nièce. c'est ma nièce. Eh, eh, tu sais, ici, c'est une grande famille, une grande famille. Il y a, des gens, c'est là, c'est ça l'Afrique. Je vais te les présenter. Marisal, Marisal, quand me présente la Claire Oui. Nam Nidjaï. Nidjaï, et vous m'avez Ah, Nidjaï, ça veut dire oncle Ah oui, oui, oui. <laughs> Je suis son oncle paternel. Ah. Mm-hmm. <laughs> Enchantée. Claire. Euh, où est-ce que tu as acheté ça Ah, Château Rouge. Château Rouge? Waouh, hmm? waouh. <laughs> Ce ronc a bien des tomates. C'est sûr que c'est à Château Rouge que tu as acheté ça. C'est un vrai petit Sénégal. <laughs> Ouais. hey, eh, il n'y a pas que moi. Présente-lui ta soeur. Ma soeur. Ah. Ta soeur Ta soeur Fatou. Ah oui, Fatou. Fatou. Fatou. de <laughs> Enchantée. Chocoram. Bah, donc, lui. Elle est raciste Non, non, elle est intégriste. Fatou, qui moi Claire C'est la femme de Badou en France. Qui moi Yorsunu de France Pourquoi elle dit la femme de Badou en France comme s'il y avait d'autres femmes ici Il n'y a pas d'autres femmes ici. La seule femme que j'ai ici, c'est toi. pourquoi tu les chasses C'est ta famille. Eh, ma seule vraie famille, c'est toi. Oh. <laughs> Alors, est-ce que tu as fait bon voyage Ici, les hommes ne faisaient pas de tâches ménagères. Quand je suis avec toi, c'est comme si j'étais en France. <laughs> Moi, j'ai quitté la France pour le Sénégal pour toi. Comme ça, ni stress, ni soucis. Rien que du bonheur. Quoi C'est pas une bonne idée Et mon travail en France Quel travail le travail que j'allais avoir. Avec l'argent que j'ai, tu n'as jamais eu besoin de travailler. Oui, mais pour les gens d'ici, être en France, cela veut dire travailler. C'est décidé, chérie. Je fais ça par amour pour toi. Je veux vivre au Sénégal avec toi pour toujours. Je veux être une Sénégalaise. J'ai même appris un peu de Wolof. Je sais dire Dana Damala Je t'aime à la folie. J'ai même pris quelques cours de danse. Regarde. Tas, tas, bin, bin. Tas, tas, bin, bin. Tas, tas, bin, bin. bin, bin. Trop bi rek dem ci tubaab yii dañoo jóge de ca l'école ba lañ koy jàngee. dama ne am na yoo xamante ne kenn du ko jàng ca l'école ba xoolal. test bu ndaw mi test bu ndaw mi test bu ndaw mi test test bu bon muy def. billaay yéen ñii ni ngeen mel jaaduwul waaye dem leen àddunaa ngi seen kanam doo leen maandu ci dara dem leen àddunaa seen kanam way mu koy fóon ci gémmiñ da nga bëgg wax ne yow mosulaa fóon ci gémmiñ mukk gémmiñ daal lekk laa ci xam man de léeg-léeg daf may fóon ci gémmiñ noo leen di def nga bëgg moon kaay ay toogal waay maa ko gis télé bi may moom yaa salopaar bi façon xool bii mu koy xool musuma ko xool hmm. tubaab bi dafa nar a jël suñu jëkkër ba mu jeex takk bàyyi ñu fi ay yaxi kese lii moom foog ñu jug si xam naa sëriñ bu aay boo xamante ne dana ko liggéey rey ko te loxoom du ko laal. defal nag yow xam nga ne tubaab bi moo tax suñu jëkkër am ay këyit ca France boo ko rey ñu tumuraanke bi ah léegi kon na nga bëgg a wax ne Badou xaalis bi muy yónnee yëpp salpa bi moo koy jox. waaw kañ dem bul xool man lii day métti sama xol sax mënuma leen xool